2024. Bonjour chers auditeurs du Niger sur Kalango, très ravi de vous retrouver sur cette émission. Vous êtes en compagnie de Ravi Amekano et Salamout Kadri pour la présentation. Comment vas-tu ce matin Je me porte bien, nous avons quoi au programme de ce matin Comme d'habitude, nous aurons le flash, la rubrique hebdo éducation de chaque jeudi, le reportage région qui nous mènera à Gaïa pour parler du prix des moutons, sans oublier notre page sport et le loti de l'équipe femme du studio Kalango. Dans cette édition, nous en saurons plus sur la création et le fonctionnement de la coopérative Rizicole de Tilabiri. Ça sera dans un entretien que le délégué des riziculteurs Haruna Idé, a accordé à notre reporter Asumana Aboubakar en mission dans la zone. Un big up à qui coordonne cette émission et Issa Laoli qui assure la technique. C'est parti pour une heure d'information et de musique. Studio chers auditeurs, accueillons ensemble Nafissa Adamou pour le flash d'information. Bonjour Nafissa. Bonjour Abia. Bonjour Salamatou. Bonjour Nafissa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Une ordonnance rétablissant les peines d'emprisonnement pour les délits commis par moyen de communication électronique a été signée ce mois par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Cette décision marque un retour en arrière par rapport à la législation précédente qui avait supprimé ces peines au profit de simples amendes. Pour diffamation ou injure, les peines peuvent aller d'un à trois ans de prison et d'un à 5 millions de francs CFA d'amende. Quant à la diffusion de données perturbatrices ou portant atteinte à la dignité humaine, les peines vont de 2 à 5 ans de prison et d'une amende allant de 2 à 5 millions de francs CFA. Imouraren annonce le redémarrage des travaux sur l'un de ses plus grands gisements d'uranium, information relayée par Aïr Info. Imouraren a donc annoncé dans un communiqué une avancée majeure dans le développement du projet Imouraren avec le début des travaux d'exploitation du gisement à Arlita. Ce jalon marque le lancement des préparatifs et la réouverture des infrastructures soutenant le développement économique et industriel de la région avec la mobilisation potentielle de 800 emplois locaux. Enfin, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire s'est entretenu hier matin avec une délégation conduite par l'ambassadrice de la Grande-Bretagne au Niger et la délégation du PNUD. Les questions de coopération au sens large étaient au menu des échanges avec la Grande-Bretagne et la relance des financements de tous les programmes suspendus à alimenter les discussions avec la délégation du PNUDA. C'est la fin de ce flash. Bonne suite à vous. Merci bien, Nafi. Bonne journée à toi. Comme annoncé à l'entame de cette édition, dans quelques instants, nous suivrons un entretien sur le fonctionnement de la coopérative risicole de Tilaberi. Mais avant, écoutons ensemble notre première musique. Il s'agit du groupe de rap Djordji qui nous chante Féroni. Féroni Ferroni est le titre que vous êtes en train de kiffer du groupe de rap Jorodi. Il est l'un des groupes de rap le plus anciens au Niger. Il a été créé en 96, composé de trois jeunes rappeurs très talentueux. Malheureusement, le groupe s'est disloqué pour diverses raisons. Actuellement, deux membres de cet ancien groupe évoluent toujours dans le domaine de la musique urbaine au Niger. Il s'agit bien de Kaz Liman et de Ibisarki.

C'était le titre Ferroni du groupe Djoroudi. Passons à la première partie de notre entretien du jour qui parle de la création et du fonctionnement de la coopérative risicole de Tilabiri. Haruna Idé, délégué des producteurs de riz au micro de Asumana Aboubakar et Boubakar Mourou. Rugawen sinti emina singis kalza 1975 gano en sinti. En ruga sinti est le président de sambu ko to ala ka boroga. président kulu nigi te manda fo i hinka nin te manda fo i hinka iga te vote ni si te manda hin zuwa o iga boradin ka bota jamhure bon si persifio ay si hinga a mebe amma il sin kal secteur iddu watin ga isne kal jampe irgon jampe 1 jampe 2 jampe 3 jampe 4 o irgon 5 irgon 6 6 de menake o president gono comptable gono e eh, trésorier gono magasinier gono gadinye go cooperative bun bodo afo gadinye go haro bun kango haro na ga goida cooperative wan bore kango goyara ngena delege go tonge bor waran kicin ditaki kango no to son bor mo jenu go goyi. perimetro secteur wara wala al fer kango perimeter goyi ay simebe agi hin ko to bor zong hinza kango secteur follo yara est ce bor go gara way bor follo follo no gono oy bor fofo yo gono kan gonde fari amma woy borey isi gonga bonse amma woy borey gono kan gonde fari igi goyi zen sambu igi goyi se o amma woy borey mbom ka goyi gara newo aga sandi iri wo do newo woy borey si goyi to perimetre tu payes wala e perimetre hay woy fangalay woy zamiro sne kal fangal newo wani mine de palay woy kan gone wo bor bobu yan gono ngai ba be gani ni tubu bor yan idi daino ini nerse bor yan igogulu weno zamde bora dingi sihina nigi hinga luwe bor fo se jiri fo campagne fol campagne hinka nimi yegen farota koyne owa bor sindi fondo kan banerarin kirgo temantinere kimkimino zamadin koy justice ginim ten se tiris ten se tira danga gi noyde tireze kan chab kawon ner kerse o zam dim ba kan se ne din <clears throat> din man bani gata nga an ga mantin wonno zam haro kan go ga hangan dinda mantin wonno haro labobun bo ni ga be kan mantin wonno gwamnati wonno gwamnati no na ta ana no bora kulse o ni gondi labu ni sindi labu din don faro ni wonno an ka han go gago din sin ga goy ni gihin ga no bor fose ama goy o amma nera din mantiner no kan ba kan gina kan din ne dai kul kan daga ni ta da na no no no ni sini bon bo kan ne dai din man bana iga ta ni ga ba ni mo kaunu mil hal no go woni kai wonno wadin sila da din man bana iga ta ni ga bor fo daga matnoran hmm. ga ta haihuwa ga sun wata lamin macin nufi guga ta da da matnoran ga gudu an garada to halin to tilmo ga irga jinga pimpinyere ga nirga to pimpinyere ni cooperative no gi da irse ni tunan da borkul gwanin place kan ni koi ni ma hansa halam bori zama mu awu am bori ngo za no dinaga sintin dum mani nongo hansa mu bori za dumo kan ba nim koy telam din man bori ya dinga ndi ni sudo mo hanno bori yan zano din no ni ga han sahala bori ni midan safari mo ara kan ga nan dumo fatta dori dori kusu hurara wati dinga ni min faro tunandi din ni tunandi ni ga am ta jirbi jirbi ni mi ga har dangara din na dangara ni ga karkar gina hala haiwa din kulma sai sai wati dinga ni mi ga hurara din kabo ga zibo kul kara da bonni zibo ka gaban nim koygin won ma teizo mi wo sine katte nim koyga dogu din dogu din gondi torko walla burwet sin torko din gondi burwet ga dan nem kanda so piniron kan ran ne de sonda de ni sai akte fo fokin halaranga mo dogu hali ini sai mo age hen gete handu fo de jirbu wakin dugu danga jirbu wata no ya age hen gete ba handu hinka da jawono zam jawo mo targa beri amma hayno ak fala aga targete ngo wala to handu fodi jere kulu borgi hen ga dogu nim koy ga tila o yadin no angra matkan nungu angra gonon da cooperative no ga kanda angra boresi di cooperative kanda aga garau alfaresi den gonde fari fo danga 30 yakine igi hen gino ba sa ku taki o biyo yure ibi hinka ikware hinka bankan gonda 25 nigu hinga sambu sa ku hinza borfo ngo isi sambulai bankan gonda ngabon sai ni koyi de habora nisibana cooperative kar hanka hanni ni mwa wi dinni ni wi gu cooperative cooperative bore ga peze igila sabu angara noro imaka angara wodo hanno alfare go gidi sande gumo zaman gara no chad gum gum gum gumo Merci à Soumana de nous faire découvrir cette coopérative. Avant de poursuivre avec la seconde partie de notre entretien, marquons une pause pour écouter une deuxième musique du groupe de rap Tarnas dans l'orage arragé, le tonnerre se propage. Dans ta pétaque, je vais ta lui qui nous attaque, Et alors, là, tu rare. Boum, ah, boum, ah, explosion, explosion, expression. Énorme, l'intouchable, t'aimes ça, c'est ça, ça. Ce nouveau monde du hip-hop est devenu, devenu. Dans ton masse et fidèle, qui n'a pas d'antidote, mais il se le remet, c'est des mais attention, si on t'attaque, Le groupe musical Tarnasa Tonnerre en est né en 2002 au Niger. Il compte à son actif deux singles Yamare et Wassa, créés meilleur single de l'année 2023. Wassa permet à Tarnasa de gagner en renommée. du groupe Tarnata. Attaquons la deuxième partie de notre entretien. En effet, les producteurs de riz de la coopérative de Tilaberi rencontrent des problèmes, notamment l'accès à l'eau ou à l'engrais en qualité et en quantité suffisante. Harunaïde, délégué des producteurs de riz, au micro de Asumana Aboubakar et Boubakar Moro. haro iga tan bore se susuba za witer me haro gondi problem bata. zama ah, nongo kirgo hunkun jempe siso ngai wai gondi har problem gumgumo de jempe sankiyan kulu zama faro wonum la sabu gidi kan fari kan aga hangandi nengo kote hinka aga hingo to. fari waranka fari waranka cinda aga bisa zata waranka bai waranka cinda fo to fari waranka cinda fo hunkuna de fari hinko wo iferi borewi kan go di feri gin bore wo matkul kan nonge wosudo hardeno bore igidi chetal gumu haro do hare haro do har bore go kitabi zama zair wana pompajo a farga a gai gumu a zin wat kulu masine go ka hasara wodin no gogo bore taban isigudu haro am kamat kan agihmanda son din wara ifo no go na isigudu haro ma kibar fot problem kan go nan haro sig kamat kan bore gin kudu wadan on problem zambi fo da yo delege no inna reniote problem han kan go na isigudu haro no ta irwan station nga no gurei manti ikunno gogono afoyo ngono kangai wo igono deno pompaidi isigi ko yani nga haro isidugu do amat kigba amma igogi ceki dir ko ba haran ima kul barmai eske kanale wo nu on din wora igogu wasu bore se kanguna haram kama uh, kanale di kanale gi beri surtout jean pesi so kanale gi kain gumu o kanale problem bambatu wono parce que kanale zabanduno kanale i hasara yani nga nungu yengono kan i bogu bogu yellalo hal haroka kadi nungodi men da men har sambujina nungu fon gono haro ke jara go ka kana lora jara go ko yamu nungu bobu yari no parce que kana le wono stele kana le kul hasara to son ko mal agriculteur il paye l'eau alal margino go haro ban son eh haro par mètre no riga bana al faray oh. mètre fo wat fon bore ge ban zongi hinzen de del way wat fon zongi hinzan del way kindugu wat fon zongi hinza bon miya de haro asinde prefix wat fon zab kayni fo wat fo am tonton kayni fo mais par mètre non que la sabu de bora gon 30 mètres ma la sabu par 1000 watt fo naka wat fo aka 1400 emne 80 ha ha fo ende oh wadno avant kenem konda moi coopérative bora ski waranse kan haro yakin naga ka aranse da or mar calculate nim la sabu mo sak margina himu konda igi chirse ir delegay isi bora kulce me ir way delegay igirke iginir sirmin ki bora se haranjiro haro asikala zongi hinzan da dalwakin da taki wa zongi hinzan dalwakin da gu wala imni sago zongi hinkan da wagayen ya da priye priye ba ke fo istafo son warkan ta cooperative bore mm gaxini fo noran wakan de alfaraisi nura irwa gaxina kirkati sai nota alfarai an gara do hare wato kulu irga nirce irga kaseti ganin mat kul kigite im kande bore sai an gare hanna imin nan mu am ka lokacora paske da man ka lokacora a sa fo hanse bon wat fo irgu du problème angara do haris bon vraiment wat fo en gara aga ka trop tard o il faut no gogo ntenge mo mine borayno siga bana dingay man du no ro kulu ku koy ga bana fu mi sere se isingay no itaji dama gara kan gay sambu man nan garawno an ga di ban so ngano ikoy ga bananda em sambu ga kan district bani amma an gara do hadde no bore go tabi go hali fo no gogo batu gomno toga o bo kir go batu gomno ko toga kirga ba gumgumo gara do hare gomnato ama angra commercialisation ama sambu ama tanke ago commerçant ka kabora commerçant no ine kaga no commerçant se liberation de prio go bore sudu dogore bake follo zama irga la sabu rejime kan bisiga vraiment ko kite kan angara a gonda bore se dogore ne irga do hal zambar hinka du zongiye ne boy guno wala wal waran folo no boy daga bo du zongiye ka ngono ro waran ko follon yani ga watin ga bore gondo do kone agu do gon bore se men kun kine dan ko ber sai ka bayra za han kanin dan ko ber sai ka bayra kaso irman yego do do kone ko ay wado ai wado amma za ka go kai ma c'est vraiment agon do kone bore sidu sande la lo aussi no Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, vous êtes bien sûr sur l'émission Le Niger sur Kalongo, co-animée par Rabia Maïkano et moi-même Salamot Kadri. La rubrique Hebdo Éducation de cette semaine parle des résultats d'une enquête qui indique que des photos d'enfants ont été exploitées à leur insu pour générer de l'intelligence artificielle. Chers auditeurs de la rubrique éducation numérique de ce jeudi, nous abordons un sujet pas très rose. Des images d'enfants ont été utilisées sans autorisation pour entraîner des intelligences artificielles. C'est ce que révèle une enquête qui indique que des photos d'enfants accompagnées de données personnelles ont été exploitées à l'insu des principaux intéressés. Nous sommes avec Ousmane Mamoudou, qui est journaliste au studio Kalangou, pour plus d'éclaircissement. Alors, Ousmane bonjour. Bonjour, euh, bonjour à tous. Ousmane quel est le problème soulevé par cette enquête Alors, en effet, c'est une enquête euh, publiée par Human Rights Watch, donc l'ONG euh, internationale, ce 10 juin. Donc le problème soulevé par l'ONG est l'utilisation non autorisée de photos d'enfants pour entraîner des intelligences artificielles. L'ONG a découvert 170 euh, photographies d'enfants brésiliens dans un ensemble de données open source, donc gratuit, accessible à tout le monde, utilisé par les développeurs d'IA générative. Donc en fait, les gens qui développent les IA génératives, qui font des images, ils entraînent leurs outils avec ces images-là. Donc ces images postées sur le web euh, entre 1995 et 2023 ont été utilisées sans le consentement des enfants concernés ou de leurs parents et souvent avec des informations personnelles telles que leur nom et prénom. Et où qu'est-ce que Léon 5B et comment est-il lié euh, à cette situation Léon 5B, en fait, c'est le nom de la base de données. Donc, c'est un ensemble de données open source utilisées par les startups, je le disais tantôt, les startups donc qui développent des outils d'intelligence artificielle pour entraîner leur modèles. Par exemple, euh, Stability AI a utilisé ce jeu de données pour développer Stable Diffusion. Pour ceux qui connaissent, c'est une IA gratuite qui va générer des images à partir euh, d'instructions. Par exemple, je peux lui dire, je veux euh, une image d'un enfant qui joue au foot et il va me générer. Donc, Human euh, Rights Watch a trouvé les 170 photos d'enfants brésiliens dans cette base de données, montrant que les images ont été récupérées et utilisées sans autorisation. Ou sous 170 photos n'est pas trop peu Ce chiffre euh, peut sembler relativement faible. Il ne représente probablement que la pointe de l'iceberg. Alors, l'ONG souligne en effet n'avoir examiné qu'une infime partie des données seulement 0,0001% des 5,8 milliards d'images et légendes présentes euh, dans la base de données Léon 5B. Euh, il n'y a que ce chiffre-là très très bas qui a été analysé. Alors ces images proviennent de blogs personnels, de blogs dédiés à la maternité ou à l'éducation, ainsi que de sites de partage de photos et de vidéos. Certains ont été extraits de vidéos YouTube Partager avec des proches, ce qui est une pratique qui contrevient même aux conditions d'utilisation de YouTube qui l'interdit, comme l'a rapporté euh, le média Wired euh, le 10 juin dans une interview. Hmm. j'aimerais bien savoir pourquoi ces images posent-elles un risque pour la vie privée des enfants Alors, ces images posent un risque pour la vie privée des enfants car elles peuvent être reproduites à l'identique par les IA génératives d'images. Si elles tombent entre de mauvaises mains, ces images peuvent être utilisées pour créer des clones numériques des enfants. Par exemple, euh, quelqu'un peut créer un compte ou un influenceur euh, avec exactement le visage de votre enfant euh, à des fins malveillantes, y compris c'est des images qui peuvent être utilisées dans la pédopornographie. Donc la présence de noms, de dates et lieux euh, dans les légendes des photos augmente encore le risque d'atteinte à la vie privée. Et quelle a été la réponse des Léon et quelles mesures euh, ont-ils prises Alors, Léon, donc la base de données, l'organisation à but non euh, lucratif qui gère ce jeu de données, a confirmé l'existence des images. Donc, ils ont vérifié euh, à leur niveau, ils ont confirmé à Human Rights Watch et donc ils ont accepté de les retirer. En réponse à une étude précédente de l'université de Stanford, donc il y avait déjà eu une étude précédente qui a révélé la présence de milliers d'images pédopornographique dans la base de données. Donc, Léon a décidé de retirer complètement euh, l'AN5B, donc cette base de données. Mais il continue aussi à collaborer euh, euh, avec plusieurs organisations pour supprimer toutes les références connues des contenus illégaux. Ousmane, quels sont les conseils donnés aux parents et aux tuteurs pour protéger les enfants Alors, il conseille aux parents et tuteurs de supprimer toutes les photos de leurs enfants qui se trouvent sur le web. Cette suppression constituerait la protection selon eux la plus efficace contre les utilisations abusives potentielles des images. Alors cependant, cette protection n'est pas absolue, car on sait que les copies des images peuvent encore exister, être trouvées, même après la suppression des liens et l'ensemble des données. C'est ce que souligne Young Han, qui est en fait une chercheuse qui a travaillé sur cette enquête, qui travaille chez Human Rights Watch, qui dit euh, je cite, Je pense que les enfants et leurs parents ne devraient pas avoir assumé la responsabilité de protéger les enfants contre une technologie contre laquelle il est fondamentalement impossible de se protéger. Fin de citation. Donc elle soutient qu'il faut que les législateurs, donc la loi, protègent davantage les mineurs de l'utilisation de leurs images et de leurs données euh, personnelles par l'IA. Merci Ousmane pour ces éclaircissements. Nous sommes à la fin de cette chronique et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir, à la semaine prochaine. Chers auditeurs, écoutons fait l'artiste Rookie avec le titre Rookie. ayuberuki atjaji karmola hale imde dinse matkanchini nyanduwe imde deite ayube nogi bayruki seido babe ayuba. bayuba watindeile ruki donoka chalkam gungiya huwe asinde zanko walalgeri kanciyo be kambore jibi ayubo kanginde rukido noka nyongei heke kali tabi keinei heke kali tabi nyandu ei mundo note allah tiba laminde tu kitaram no banara ameke mabaze yuku anyandu weini no yuku chana weini chendelo yuku chalkam nire ruka ayuba no dinda gungi atuwe ah, eh, jinde tekso bonde eh, gungi azanke ah, eh. azabura kiko oh, talle nkalle ngandega ah, kara be binde miliyeydo dinga bombo siyadu witteru kutumbe bigaru miliyeydo koyke to deberitenado zebani gore kangara heisa dunguri gori resita binta anyandu eimunanjonte mateigete la ilaha illa allah so bonde gungiya zanke anyande wey muna jonte matine igete kidi zimma arzume songore zita soko karata so de mahandare kuwa ndakalate andare mangi aliwe handara no awi namara noki no nochi ane kalei mache zimma toro de zimme raka gandu chi koti ko inoka albinde zimbe raka ai koi kalizram gande zimmade zimmei woram ko ikale kam kito cha wayuba handinne yiɗiɗo bunduma maci jinneyte foli birinza kindeyte harakenen diga sisa kindey koyiɗiɗugo kalitabi awi ni boheyni dar cingo allah kiba la ilaha illa allah umfanadame አዲነሩ ከያደም ሞሎ ካርሞ ላሃሌም ዱንስ matekan wuru kese neibo akan zimmei ka kito chawa tengo ine nyongei mate ancho babe horam mate handa le titre euh, Rookie du Dauphin. Baggy Rookie Cap sur euh, Dosso, plus précisément à Gaïa, où à quelques jours de la fête de Tabaski, on observe une présence accrue du bétail sur le marché. Cependant, la fermeture des frontières a entraîné une absence des clients étrangers. Cette situation provoque aussi une baisse des prix et des prix des animaux, plongeant les vendeurs dans un état de désarroi. Suivons le portage de Fadelalou pour en savoir plus. Nous sommes au marché de bétail de Gaïa, un lieu où le bétail provenant de diverses localités du département est vendu. Ce marché, en effervescence à l'approche de la fête de Tabaski, est un carrefour commercial pour les vendeurs et les acheteurs on y trouve des petits et gros ruminants avec des prix variant selon la taille et le poids de chaque animal les acheteurs peuvent choisir parmi une large gamme adaptée à leurs besoins et à leur budget en préparation pour les célébrations de la tabaski zika idu gano hingine e eh, jengo na kan zambar waranka kindi taci zambar waranka zambar waranka fosi iwo kindi taci kindugu ikulu igono kaka zambar wai zambar wai kindu fome kuli go kai dai to hinki na mo ngai mo zambar a haku me, kakwai zambar wai zambar wai kindu fo zambar iye zambar idu, hakwai zambar igume ikulu wai da yamo wallahi go kai dai Cependant, cette année, la fermeture des frontières a considérablement affecté le marché. Les clients étrangers, habituellement nombreux, ne viennent plus. Les vendeurs qui comptaient sur cette clientèle pour écouler leur bétail à des prix avantageux déplorent cette absence qui affecte leurs revenus. Nous avons également rencontré des acheteurs locaux venus acquérir leurs bêtes à immoler pour la tabaski. Après avoir scruté le marché, les acheteurs, bien que satisfaits des prix réduits, constatent une offre excédentaire à une qualité parfois variable amma nan kan bolla kalogo eh, ni bay kiliyan wo nan kala kalogo dana na banda nan kala kalogo man tafu o go goga ba do am do gon bi sayadi ninga mo go ba masandi wallahi habota alkusaga o almanai sichada o norrenu sinu kanga almanai de okay Cependant, cette situation soulève des questions sur la viabilité économique du marché du bétail à Gaïa en l'absence de la clientèle étrangère la baisse des prix, bien que plonge les vendeurs dans une situation difficile, constitue un avantage pour certains clients locaux qui se réjouissent de pouvoir acheter des animaux à moindre coût. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Si vous venez de nous prendre en cours, pas d'inquiétude, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site web www.istudiocalango.org ou sur la page sport du Studio Kalango. Et c'est l'heure du sport et avec nous, nous avons Hassoumi Grouza, notre chroniqueur sportif. bonjour. Très bien. Salam à tous, ça va Bonjour Grouza. J'espère que vous avez pris du café. Je n'ai pas eu du café devant vous là. <laughs> non, ça va. Merci. Grouza, nous irons à Douchi pour parler du sport scolaire c'est eh la moto. le mercredi 12 euh, juin 2024, à Douchi, l'administrateur euh, de la ville, l'ONG RAI et les inspections de cette commune ont organisé une activité sportive euh, dans le cadre du projet Sport à l'école. Le sport à l'école, c'est pour permettre aux enseignants, les enseignants qui pratiquent beaucoup de sport dans les écoles, c'est ça le projet. Écoutons à ce sujet Issa Komoru Moussa, chef du projet sport à l'école au niveau de l'ONG RAI, au micro de Obawa sommes réunis avec euh, les écoles primaires de Duchi et de qui bénéficient de l'appui de notre projet dénommé Projet Sport à l'école, dont l'objectif est de promouvoir, euh, redynamiser la pratique de l'EPS dans ces écoles-là. Donc chaque année, nous essayons de finir l'année en beauté en organisant un événement sportif euh, autour de ces écoles, autour de ces élèves-là. Et nous avons eu à organiser une évaluation des enseignants et enseignantes de ces écoles-là pour voir euh, le niveau. Donc les enseignants et enseignantes qui sont admises à ces tests-là vont recevoir euh, leur attestation de réussite euh, d'animateur animatrice niveau 1. Donc l'événement sportif qui nous réunit aujourd'hui rentre dans le cadre en tout cas de la programmation de nos activités dans ces écoles-là. Donc nous avons au total une vingtaine d'écoles primaires que nous accompagnons. Alors, ton d'outils pour Zinder, où nous allons parler de taekwondo. oui, Rabi, le club de Zinderma de Zinder a organisé un passage de grade. C'est une activité qui entre dans le cadre de la promotion du taekwondo euh, dans la capitale de Tamagaran. Suivant les explications de maître Ibrahim Badamassi, Saint-Noir, troisième dan, au micro de Ali Keita. Il s'agit de grade de ceinture blanche vers jaune 1, jaune 1 vers jaune 2, jaune 2 vers bleu 1, bleu 1 vers bleu 2, bleu 2 vers bleu 3, bleu 3 vers rouge 1, rouge 1 vers rouge 2. Donc voilà un peu le nombre des ceintures qu'on va faire le passage aujourd'hui dans notre club Zindirmata. Nous avons 47 candidats dans les grades différents qui vont chercher à changer leur couleur de la ceinture à travers eh, l'examen, ce qu'on appelle euh, le passage pratique. Donc on appelle la personne devant tout le monde, on lui demande ce qu'on les a appris durant trois mois, qui est officiel. Nous, nous avons euh, jugé utile d'ajouter le temps, attendre voire quatre mois, cinq mois, euh, voire même six, mois pour avoir un bon niveau de nos athlètes. Voilà, Salamatou Rabi, c'est la fin de ce journal d'espoir. Demain, rendez-vous avec Adam. Merci. Merci À très bientôt. Merci Découvrons à présent la star de notre portrait d'aujourd'hui. Il se nomme Souleymania Yemoussa, surnommé Coach Pouyol. Se distingue comme l'un des entraîneurs les plus prometteurs de Gaïa. À 33 ans, son parcours atypique en tant que joueur et entraîneur ensuite démontre son engagement envers la formation des jeunes talents. Fadel Alou est allé à sa rencontre. Il est rendu au studio par Mama Ada. a wurinsa na wasa ne kewaye da matasa kusan 20 masu shahar kwallon kafa ne suleimani yayi musa da aka fi sani da koce puyol ya karbe mu bayan ya kare rayuwarsa ta kwallon kafa a shekara ta 2011 bayan ya ji rauni ga kafar hagum nacewarsa cikin duniyar kwallon kafa ta kai shi ga zama mai horar da matasa a shekara 2011 na jimu a cikin buga kwallo shine yasa na tsaida buga kwallon ƙwallon kafa sai na baiwa ba da horo karfi ina horar da yara 'yan shekaru goma sha biyu zuwa sha biyar ina taimakawa matasa tun wannan zaɓi nasa mai kyau koce piol ya rubuta sunansa a cikin manyan kucina na wasa a wannan yanki nasa ya samu lambobin yabo guda uku kuma ya fafata wasannin final da dama lamarin da ke nuna tasirinsa mai kyau ga matasan da yake horarwa 2011. Shekara 2010-2011 mun zama zakaran kwallon kafa sau uku muna cin kofi a cikin yankinmu bayan wannan na taɓa buga wasa ta ƙarshe har sau biyar akwai wasa tjb karama da kuma tjb babba dubarun sa sun rataya kan da'a da ci gaban kwarewa na mutum guda guda a cewar yaransa da ke girmama aikinsa muna jin daɗin aikinsa yana ba da horo da kyau wani lokaci a cikin fili kwallon kafa yana yi mana magana sai mu gyara gyara kuskurenmu abubuwa da yake faɗa muna muna aiki da su gaskiya ba mu magatama da magana a shekara ta 2023 sulemani ya kai ƙarin mataki tare da samun diploma ta lisansi ta kocin ƙwallon kafa sai dai burin shi bai tsaya nan ba lisansi dawo kan lisans na zama mai horarwa wanda kafin ka zama mai horarwa sai ka samu lisans yanzu lisans uku ne suke gabana daga nan ne mutum yana iya fita waje ya shiga cikin masu horarwa sulemana ya yi musa kwace puyol eh, na da digiran harkar lantarki ta gine-gine aikin da yake koyarwa a cikin makarantun koyon aikin hannu da ke gaya merci couleur de Gaïa, chers auditeurs, bouclons notre playlist du jour avec l'orchestre Guest Band qui nous chante Soyeya. L'amour, c'est un sentiment qui atteint l'ennemi par un autre. Qui cherche trouve, même celui qui t'aime. Tu abandonnes tes ennemis. Ambassadou, quand le grand pôle le soir, les petits nous font que raconter. La Guest Band à la place. da Gazbana. ultima gâtine în mi par enatra. Em salu kitem. Te amândoi te zenebi. Ca le grafă lui soar. Le gătinu făcăra cote. Le găt à la place. C'était Soyeya de l'orchestre banda Chers auditeurs, passons à la rubrique Loti qui traite du phénomène de propagation des ragots et fausses rumeurs sur autrui. Un sujet que les femmes du studio Kalongo abordent avec sérieux dans ce Loti d'aujourd'hui. Elles explorent les impacts sociaux et émotionnels de ces comportements dans une discussion entre Recha Arimi et Samira Rouafi. Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji. Hey! Matsukiji. to sai me abi ke ce ko kuma kuna tare tunda ni a sani na tunda muka bar anguwan nan ba mu sake ganin ta ba a'a ba abokiyar mu ce. biki shi abin da ta yi ma Anna ba me ta yi ga cewar mutane magance ta ta yi ne ma sanadiyar rashin lahiya Anna. <laughs> Wai gaya miki wannan zancen? Mutanen anguwa ke ta yada magana na ce miki. Kina iya gaya mini me yasa Rahina za ta iya ma Anna irin wannan abu. Ha ke ko kina yi kamar baki sani ba. kowa ya san da cewa anna babanta yana da kuɗi kuma a makaranta kowa ya santa wannan ya sa mazaje kyawawa iyan masu kuɗi kawai take ja a cikinta ita kuma rahina kowa ya san cewa su da iyayen nata suna da ɗaya ruhin asiri kenan wannan ne yasa take bakin cikinta tana kishinta har ya kai ga inda ta kai sunan wurin malami don ta ƙare da ita hmm. ke ma biki yarda da kanki ba a cikin musulminci an ce wallahi zato zunubi ne hmm? kin ga ke ma yanzu biki sani ba zato ne kike yi to yanzu ni wani labarin ne na shi ta aka yi hanna batta da lafiya ne tana ciwon oda ne nadira kullum haɗi na haɗi miki ki bar jita jite wannan ce ce ku ce wallahi babu kyau to amma inda gaske ne kin ce mini in bar jita jite hmm. a'a inda gaske ne ni na ce duniya ce ta sake kishin dan uwanka ya zama ruwan dare ga magare kuma ba kyau kai tawakkali da abin da Allah ya baka yafi kamar yadda Hausawa kan cewa kowa da rayuwar shi kowa da kaddarar shi mm. kamar yadda Hausawa kan cewa kowa da rayuwar shi kowa da kaddarar shi to haka ne <laughs> to ni yanzu in nace ke ma kina kishi na ha a'a dan me zan yi irin abu wani abu irin haka da Allah bari haba to kin gani haka dai yadda kika matse huskan nan haka rahina baiwa Allah zata yi idan ta ji wannan labarin. Na dai shi. To zo mu wuce. Daga bannan dai ke da karki yi wani ɓoye-ɓoye idan kin gane ta ba ta yi miki komi ba ba ta yi komi ba. To to na dai shi na gane kuma. ki saki fuska min kawata duk kin bikin sa huska juna kamar da ke nayi. Ba dole ba in saki fuska ai ke ni ke ce nake yiwa wani hali da kake shiga Allah zunubi ne ki bari. <laughs> To shikenan mutum. à l'équipe femme du studio Kalangu pour tous vos conseils, pour tous vos conseils. À bon entendeur, salut l'émission Le Niger sur le Kalangu. C'est aussi de la culture linguistique. Et ce matin, c'est Abdul Moumouni Niali du desk Full Full qui nous vient avec le mot sacrifice. Bonjour chers auditrices et auditeurs de Niger sur Kalangou et bienvenue à notre rubrique culture linguistique de ce jeudi 13 juin 2024 c'est bientôt la fête de Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. Notre mot du jour, vous l'avez sans doute deviné, c'est le mot sacrifice. Ce mot a été expliqué en anglais, en français, en hausa, en germain et aujourd'hui nous allons l'expliquer en fulfulde barkinabe hitinani be sigilaji niger sur kalangu kori jam weti he met en un hannden ngol nantinten kawon kongol konngol sacrifice der francire Kongol gol enden ni nantinama der ingilere francire hausankore e jermare hande en nantinan kogol gol enden nder fulfulde sacrifice nder faransire nder fulfulde du sey bi'e sadaka sadaka o du ko waɗante deweteɗo non ɗum saabi julɗe layye fuu dina alsilamagal deki dow julɗo tokkuɗo dina alsilamagal ngal enden fuu tawraɗo bawɗe sooda layyari mum hirsa sakkana allah kongol sacrifice gol enden no sadaka kirseteɗo non ngam eɗen andini no woodi sakkamɓe sukkar dabinaje e ko nandi titta ir sadakaji ɗi enɗen tindinta kongol sacrifice nder faransire no wodi nder faransire no ir sadakaji ɗi enɗen indirte voilà tout pour aujourd'hui et très bonne continuation Merci Abdul Moumouni Chers auditeurs, vous êtes nombreux à nous suivre grâce à nos médias partenaires de partout dans le pays. Écoutons quelques-unes de, nos, de vos réactions. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. sunana ahmad assala ina garin ciro shirye-shiryen da ke burge ni cikin studio kalangu akwai labaransu wanda suke wannan ina jin daɗin su sosai da kuma na fada wannan da ake yana ƙayatar da ni ina jin daɗin su a ah, babu gyara cikin abubuwan su ina musu ƙarfin guwa allah taimaka musu su ci gaba da aikin su muna shuraren su gaskiya muna jin daɗin labaran in bin ji labaran su ban ma jin daɗi sunana jana ina sauraron studio kalangu garin ciro biro shirin mata wanda suke yi a ranar talata da shirin su na matasa samji da dimash yana kayatar da ni muna jin daɗin haka ina jinjina musu omar awais a ciro shirin studio kalango yana kayatar da ni sosai surtout les samedi inda ake akci de jeune da wannan ga shirin da kuke yi na message auditeur shi ma yana kayatar da mutum dan kana nan ciro sai ka ji murya ka hanya kenan kowa ya san da ciro tana existe shirin mata na wacce ta talata shi ma gaskiya yana fadakar da su lokaci hamad sanda kolbu wata kulu igirajo kalangu hangan zadai 101 riga hangan da lasar gurgu won wori ga hangal wat kul irgo gini hangan i sigire go kani se chotara jabu mon wori go gini hangal di won kundi gudu rajo kalango am am kai dai ingi bonga sak go ga hangana se dum salmada da ma sire sigire ka go tedi wallahi a kani se gum gum gumo agi bonga iye kwara agi la kala ye kwara ir sabura rajo kalangu se gum gum wona eh, sunana rabi ummali landa stylist modelist cikin jihar studio kalangu ina sauraron shi kwarai kuma abubuwan da suke nan suna yi suna burge ni kwarai saboda kaga suna iya yi maka abinda da kuɗin kama baka ibe a maka shi tunda kaga na ɗai sun taba zawa ta rana sun ka ni biskan aiki na sun ka min tambayoyi ayi ɗai ayi biyu kuma na ga mutane da dama wanda sun kai ma wannan abin to wannan abin idan ka ce ka zo ka biya a maka shi ba za ka iya ba ka gani wannan abin vraiment yana da umfani kwarai bisa ga abin suke nan suna yi duk abin da suke yi abu ne mai ma'ana saboda wata rana ina ma kallon shi na ga wasu mutane an gwade su bisa wasu aika wanda suke yi kaga wannan ibadan dalilin ga studio kalangu ba ba za mu iya ganin su ba kuma ba za mu iya sani an suna wannan aiki ba a kalangu ita da wuri ne aikin tumatur daga biyar zuwa takwas kanan ne in ta kai takwas ne saboda lokacin da abin nan jamus za ta karba a nan sai ta sai ta bari haka ne ake yin ta a'a alhamdulillah ko da din shirye shiryen tun da tana abubuwa wanda ya kamata a tana tambayoyi wanda ya kamata duka ana yi a'a shirye shiryen da ya kamata wani kira wanda za a yi wanda za a yi komai nasu gaskiya mai ma'ana Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, ici prend fin notre émission de ce jeudi 13 juin. Vous étiez en compagnie de Rabia Maikano et moi-même Salam Kadiri. On se dit à 17h pour notre programme de 2h qui débutera avec la grande édition du soir. Merci à l'équipe technique qui a rendu possible la réalisation de cette émission. excellente. après-midi à tous. Bye bye.